Mais nous, on ne pouvait pas prendre euh, euh, Jakarta ou bien, ou bien taxi. rien là, là, si on continue comme ça, on va arriver à Bissau. Toi, tu as travaillé pour Jakarta. Tu as travaillé pour ça. Et puis tu parles, tu de Bissau. Toi, tu connais la route de Bissau. Euh, maintenant, comme tu parles de Bissau, tu parles de la route de Bissau. Maintenant, tu vas travailler. Maintenant, tu es 5 Dis-le, c'est 5 Légui, Non, non, non, non, non, non, non. Dis-le, Non, non, non, on n'a qu'à partir. Et puis, j'ai dit, Kaïn. Li, li, bonne façon de sol là. Demandez xoolal sama yére non mais mais mais Nijaay moom mes habits que j'ai enlevé à Dakar j'ai amené de Dakar là je vais pas porter ça ici puis ça c'est gâté hein. Euh, dafa am yére Dakar ak casamass. Casamance xoolal yére est-ce que man sama yére dafa yàqu. Ah. ngay wax yére Cas yére Dakar ak casamass. Casamance nee na ma nag yow voilà, voilà toi-même, toi-même, depuis là, quand je porte bleu, tu portes bleu. Depuis durant 20 jours, tu es là, tu portes ton boubou là. Eh, moi, je vais retourner à Dakar, je oh, vais partir à Dakar. ñëwal mën yaay la ilaha illallah kasama jaabi koltalante kasama kolli kasama jaabi kolli keke ɗo ha ah, keke ɗo fele kasumay kasumay gam gaawi sokol kole dibari bebi je jaabi eh. ah, kasama de de de de de de tawal fale kasumay ke kasumay gis nga sama jarab xool ko mm. dëgg xoolal nga xool ko dëgg la kay sama jarab dara du reer dara du reer moom xam nga place man. ah Casamance si loolu la ñu xam. waaw waaw waaw yow Malaguène. waaw yow Malaguène. <laughs> Malaguène. Gassama na ngeen def. dama rek la jàmm ngeen def gis nga ji. Mm-hmm. tuuti mu dee cosaan. sama rakk bu nekk. ah ah déet déet déet yow Gassama déet waay ah. ah déet waay yow tamit déet bul dugg ci yooyu ah waay mu ko waay yow tamit. ah waay yow tamit nag déet nag. Ah. Ah. ndeysaan. yaa ngi ne. ah waay doo sëni jaay. Mouhamadou Toussaint Casamance. dëgg la dëgg la moo tax mu ñëw nii naa ko nag Dakar loolu def Dakar. Mhm. du fi am. dëgg la di nga liggéey comme doomu Casamance du muy liggéey. Hmm? du weeru koor du dara du liggéey rek. loolu moom wax ko fukki dëgg ak du weeru koor. weeral eh, koor. kii la ko kii la ko ko kii moom. waaye moom day wóor. mooy mooy day wóor te wóoru ma ko. ah <laughs> loolu moom du ma ko sax seetaan. ñu fa. ñu fa naam ni jaay. yow kaay nuyu sa nijaay yegsi na gasama yegsi na gasama jaay gasama ngoog <laughs> sëñ ça va da sama da sama kii sa jarabat la. dëgg la kay. wóorul ma da tey ci jàmm. ñu ngi gisee de. ah maa ngi dina ko tey tey. alhamdulilah sant yàlla koor gi. waaye waaye waaye tamit moom gis na fi de. dëgg la xam nga moom mooy ñëw. waaye moom gis na fi lool. Eh, waay dëgg la kay dëgg la waaye moo fa demee. waaw na fi ñëw. wallaahi wallaahi mais nii jaay. dafa rafet de. gis nga yarum Dakar yaayam. lépp lu baax mu indi ko fi. non du da du da du dara euh, ah. maa ngi ci li ma la xam nga sama bëgg-bëgg. man ñoo fal ngay sama xarit. ko toppatoo na waaw kay gasama maa yegg ci biir te ñëw. <laughs> kay gasama. yow doo may ñëw. jërëjëf man sama solo ci côté bobu Oui, am lay xam nga rek la <laughs> dégg. ko <laughs> mais euh, mhm. on m'a dit may la ah Nijaay wa ah, wa <laughs> euh, mais Nijaay quand moi je ici. Ah, ah. ils ont dit que.

Nous sommes Dakar la nga rien ne se passe tu es venu depuis quand ça fait au moins deux jours comme ça tu as vu quelque chose ah, ah. tu as entendu du boum non c'est le bonbon mangé là seulement j'ai vu y a alors rien ce que C'est ça qui m'a étonné là. Les gens prennent le temps. Tout ce que j'ai vu ici là, c'est les bons manger seulement, les grosses. Mais je te dis, dans n'importe quelle maison que tu as, tu peux manger à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. On marche ici jusqu'à l'heure voulue et il n'y a aucun problème. <laughs> Donc ça veut dire que même si je me lève 23 3h du matin pour aller payer mon règle, il n'y a, pas de problème, on ne m'attaque pas. Alors toi, en tant que jeune, hein. nous qui partons tous les jours à la mosquée, à partir de 5h du matin, seul, il n'y a rien tu peux marcher à n'importe quelle heure. Fais-moi fi jàmm nga fi. là <laughs> bu du Sénégal. l'une des meilleures villes du soleil. <laughs> Ah. mais mais attends mais mais pourquoi donc pourquoi ils font ça parce que moi depuis que je suis venu là je ne vois rien. Je ne vois rien. Au contraire, mais c'est le bonbon mangé là, je vois les mangues là, gros gros comme ça. <laughs> mais, quand je regarde ça en même temps, il ont a envie de manger tout. Eh, ne su weer koor man de tout quoi. gis nga mu bëgg a wax du woor. fii wo woor liggéey woor ah, ah ah ah Gassama Gassama bi. loolu moom jarul ñu ciy woor ndax jullit la. weeru koor nañ ko sargal respecté ko fan dong la bu bare loolu boo def. qui Bilki Am. Allahu Akbar. Mais moi, moi, moi, moi, je gêne. Moi, je fais, je fais C'est très moi, bien. Moi, moi, j'ai dit, quand je, moi, quand je suis venu ici, là, c'est à cause des gros, gros mangas. Je suis venu ici. Sinon, à Dakar, là, tu sais pourquoi suis quitté Quand il quand, quand y, a, y, a, y a corps, là, les filles, là, elles portent les petits, petits, petits. On s'en fout, Oh, tu toi Pourquoi tu regardes Ah, mais c'est eux qui ont porté. Ah, ne regarde pas. Hein après la coupure de jeu, tu pourras le faire. Mm. Tu vas manger tout ce que tu veux. Il n'y a rien de spécial <laughs> ici. Nous sommes tous pareils. La Casamance, mm. je te l'ai dit, c'est la meilleure des villes. Et je vais t'en parler un peu. Tu sais, Bignola quand je prends l'exemple de cette ville, la majorité, l'ethnie majoritaire, c'est les Djola. Nous avons les Mandingues la première ethnie au Seigneur ici en Casamance, c'est les Mais nous sommes tous pareils. Nous avons le même cœur. Le Kazassé, une fois que tu viens et que tu es étranger, il te lève au ciel. De lui dire que tu t'y yow yaay buuram lu la neex mu Ils te waaye bés boo ko bëggee woon la yenn Ils te donc tu es chez toi. Ne pense à rien. C'est l'une des meilleures villes du Sénégal. Ouais. C'est la verte Casamance, le grenier du Sénégal. Les bourses Sénégal, on en parlé. C'était le grenier du Sénégal. On pouvait donner au Sénégal tout ce, qu'il voulait. Hmm? C'est maintenant. Tu sais que la tête ne ment pas. Hmm. Et tous les jeunes aujourd'hui ne sont plus là. Ils sont en exode sont tous partis à Dakar pour travailler. Ils ne travaillent plus la terre. Parce que tout simplement, se disent-ils, c'est au niveau de Dakar qu'ils peuvent trouver quelque chose pour ramener ça au niveau d'ici. Et que s'ils restaient sur place et qu'on avait tout le matériel nécessaire, on pouvait servir le Sénégal à manger. On ne va plus importer. C'est ça il y a beaucoup de manger ici. Donc il faut que... <laughs> c'est ça qui me plaît. Beaucoup de manger. Les mangues pourrissent ici. Aïe, aïe, aïe. les mangues que vous mangez de l'autre côté à Dakar, là. Ici, c'est réservé aux, aux, bœufs et aux taureaux, aux, vaches, là. Il faut lui dire que même les bœufs choisissent ce qu'ils mangent. Billahi. Les mangues qui vont manger. Wallahi. C'est que moi, je vais manger mangue jusqu'à mourir. Hmm? Il faut mourir ici. Peut-être que tu seras fatigué, <laughs> mais tu vas pas mourir. <laughs> Non, non, <laughs> ak cosaan bi nga doon. ma tuuti ma dugg solo ñu ànd demandoo <laughs> ma ma ñëw. jógal. ni de dëgg-dëgg ndax ràññee nga leen Liberia génne nañu leen Sierra génne nañu leen Angola génne nañu yaay.